Cette année, ce sont 30 000 kits scolaires issus de cette initiative Back to School que nous allons donner à nos enfants pour les encourager à persévérer et à mériter cette faveur. C'est donc avec humilité et joie que ARED a accepté de faciliter l'acheminement, la réception et la distribution de ses kits scolaires en étroite collaboration avec Madame Maria Massar, maire de Kaolak dont les démarches auprès du CIO e de Dubaï Tariq Al Gour ont permis de partager les besoins des familles démunies de la région de Kaolak et nous espérons que ce don viendra soulager ces familles de la région de Kaolak. Monsieur le chargé de la relation publique et du protocole, représentant son Excellence l'ambassadeur de Dubaï, Cheikh Taha, soyez notre interprète auprès de son Excellence, de son Altesse Cher Mohamed bin Rashid Al Maktoum, émir de Dubaï, pour lui faire part de notre profonde gratitude. Nous associons à ces remerciements l'ONG Arrête et M. Mamadou Amadouli, qui n'a ménagé aucun effort pour s'occuper des formalités administratives et œuvrer afin que ces kits soient mis à la disposition des élèves dans les meilleurs délais. Nos remerciements vont à l'endroit aussi de Dubaï avec à sa tête euh, M. Serre, Tariq Ergon. Nous avions eu une discussion très longue. Il a été très sensible à nos préoccupations. Et de cette discussion est née cette décision d'attribuer à la commune de Kaolac 30 000 kits scolaires. Le travail a été facilité par l'ONG AREP, avec qui nous avons fait beaucoup de séances de travail pour élargir même les possibilités d'accompagnement. Cette cérémonie qui se passe dans l'enceinte de cette mairie, celle de la commune de Kaolac, mais aussi revêt un caractère régional. Ayant obtenu en qualité de ministre de la République, nous avons tenu à en faire bénéficier tous les élèves de la région. Ceci explique la présence des maires de la région. Nous allons procéder à la distribution tout à l'heure des bons de sortie pour tous les maires et le travail va se poursuivre parce que les zones inondées sont beaucoup plus concernées et toutes les écoles des zones inondées vont être prises en charge entièrement. Donc c'est un travail qui se poursuit sur trois jours pour que la distribution puisse se faire comme l'ont souhaité nos donateurs. Mais je ne pouvais pas ne pas parler de l'État du Sénégal, grâce auquel j'ai pu faire le voyage et participer au Forum mondial. Et c'est de ce, ce voyage que j'ai pu contacter notre ambassadeur, en l'occurrence M. Ibrahim Massouris Silla, que je remercie vivement au passage, qui nous a beaucoup facilité les différentes rencontres qu'on a eues afin d'en arriver là. Quant à vous, chers enfants, je ne terminerai sans vous souhaiter de passer une année scolaire pleine de succès. Votre réussite ne dépend que de vous et des efforts que vous, que vous allez fournir en classe. Il vous faut aussi être respectueux de vos maîtres comme vous l'êtes avec vos parents. Vous devez aussi être attentif en classe, bien travailler, faire vos devoirs à temps et prendre grand soin de tout ce qui vous sera remis aujourd'hui et les jours à venir. Madame le ministre, pour nous, c'est avec beaucoup de fierté et beaucoup de joie que nous sommes là présents pour participer à cette cérémonie mémorable de distribution de kits généreusement mis à la disposition de nos chers enfants. Nous sommes à l'ouverture des classes et je vous dis, Madame le ministre, que c'était un poids pour les parents d'élèves de respecter ce que nous, nous voulions, le démarrage des enseignements-apprentissages dès le début de l'année, parce que nous tous, nous savons que c'est devenu très difficile et que c'était une préoccupation de mettre les fournitures entre les mains des élèves. Nous voudrions très sincèrement, Madame le ministre, vous remercier parce que vous avez compris que dans le cadre des compétences transférées, c'est être au devant des besoins des populations, votre véritable mission, et vous avez toujours tenu à être devant les populations pour régler des problèmes, pour écouter, et pour surtout venir en aide aux plus démunis. Nous avons eu écho de ce que vous êtes en train de faire euh, pour les populations les plus démunies et tout cela entre dans le cadre de nos missions respectives. Nous qui avons en charge l'éducation, avec souvent beaucoup de besoins et peu de moyens, et vous, si vous comprenez votre mission que dans le cadre des compétences transférées, vous avez votre mot à dire pour soulager les populations et que vous l'ayez fait, Madame le ministre, nous ne pouvons que nous en réjouir. jataay bi dafa woddoo ñetti symbole symbole bi bi ci njëkk mooy moy, mu fourniture scolaire la ñuy ci bu ñuy école ñi ma jiitu léegi wax nañ ko moo di ne jamono jii buy parent d'élève muy inspecteur d'académie waaye muy képp maire euh, sa problème mooy looy yóbbu ci école yi état bi am na lu muy joxe muy fonds de dotation waaye buñ ne la am na loo ciy dolli lii mën nga ko cee dolli yóbbu ko defe naa mbégte rek ñaareelu symbole bi mooy euh, fiñ ko jëlee fiñ ko jëlee mooy Émirats arabes unis loolu di tekki ci li wax coopération décentralisée coopération décentralisée nag yàgg nañ ko dégg waaye liñ toujours nord sud maanaam pays européen di sud sud sud la donc symbole beneen symbole bi ci des mooy ki ko fi indi euh, maire bu sañoon maire bu ci nekk boo sañoon da am loo mën a jëlee bitim réew muy soit aussi sud wala en tout cas ci kaw waaye maire yëpp amuñ xereñ gi amuñ euh, portefeuille bi amuñ carte carnet d'adresse bi amuñ moyen buñ mën a génnee ndokk nag bañ amee maire bu am Euh, critères yooyu waaye ndokk nag bañ amee maire ba xam ne am na critères yooyu ñëw la muy am mu bokk koog ñëpp donc loolu ñetti symbole yooyu moom laa gis ci événement bi moo tax vraiment mbekk lañ am euh, mairie commune bi yëpp mairie région bi yëpp au nom de tous les maires ñu ngi lay gërëm di la sant